shirin fada studio Niger. Dans ce numéro de Tous à la fada, nous parlerons de relations sentimentales. Ou si vous préférez, nous parlerons de l'amour. Comment se forment les couples des jeunes Nigériens Comment marchent ces couples Et qu'est-ce qui détruit ces relations amoureuses Nous verrons également l'évolution de ces relations selon les générations. Soyez Akani matasa wannan ina ne suke haduwa wani irin samartaka ne suke yi kuma abin da ke bata wannan samartaka kenan a cikin wannan shirin zan ga kuma bambancin samartaka yanzu da tada pour aisément échanger avec les jeunes sur leur histoire de cœur qui, nous le savons, sont bien riches et diverses. Nous avons posé notre studio au stade général Seini Kuntier

mais également de la musique. Et pour boucler cette émission, notre chroniqueur euh, Olivier nous dira tout ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine sur l'actualité de la jeunesse. Ça va Olivier, tu es prêt Oui, je suis prêt, ravi. Et bonne émission à toi. Voilà, donc euh, pour faire le tour euh, de cette question de Zamouiwana Hira, on a de Samari de Mata. Mademoiselle Zainab Idrissa Diallo, une jeune femme évoluant dans le domaine de la culture. Monsieur Mamangeme, âgé de 64 ans, il est blanchisseur et il va nous donner euh, son point de vue sur les relations d'aujourd'hui et ce qu'étaient les relations avant. Donc euh, nous aurons également monsieur Tsemogo Mahamadou, il est étudiant. Bonsoir, chers invités. bonsoir. Avant de donner la parole euh, à nos invités, écoutons ce micro-trottoir de Rookie qui s'est renseigné sur les lieux de rencontre favoris des jeunes. ay mine wandi amatuna ago kan wala ne ay ma fuam to is da to is mine to wala ay o kan ise no irko indisi da ya dai sai ke irgo charban da man ya dai sai yi gin galashi da na ganta ina son ta ban san ta ta zo wurin mai shago ta sai wani abu tambayi mai shagon na har ya san gidan ya ce mini ya san na zo gidan su muka gaida ta ce mini lahiya ni ce wallahi lahiya lau ce mata na ganki ne kina birge ni ne kawai to a haka ne na hito mata na same ta ta bani lambar ta haka ne muka fara soyayya da ita so matkai te kwaro chide ayu bodon ton adu de no daka imne filana vaccine ni kane se de no bak hije hinse de ne ba no vaccine se kinshin da zale zale ko kulu. tiraw ndin e gama ni kane sasa besen ada école no daran kulgo kuru folan karaya hantum no papiers gam deja ga hankan ni da kana sa akten se response ga hantum sam se walma tiadi to da fori mai ramo no ni bumbo no filana andi ya cin ya cin ya cin mo cin ndi irbaksina wallahi bani fondo gono wal fondo sino continue de écoutons la réaction du jeune Badamassi sur les rencontres amoureuses où se font les les premières rencontres amoureuses bon là aussi ça dépend des localités ça dépend des catégories sociales si par exemple ce sont les scolaires ou les étudiants la plupart c'est à l'école donc c'est le milieu académique qu'on se voit, surtout pendant la récréation ou une pause quelconque, ou à la descente comme ça. Mais en ce qui concerne ceux qui sont un peu en ville ou qui ne sont pas des scolaires, la plupart, même si tu as, quand même vu une, une première fois la fille en plein passage comme ça, tu préfères la laisser. Donc juste, tu peux l'arrêter juste pour lui demander, de demander son numéro et ensuite euh, son chien. Si elle quand même, elle, arrive quand même à t'indiquer son lieu, quoi, là où elle habite, donc tu peux aller là-bas, la trouver comme ça, vous échanger quoi. Voilà, donc vous venez de l'écouter. Euh, on revient encore sur le lieu de rencontre. <laughs> alias euh, Rihanna <laughs> et euh, Timo Mamadou. Vous venez d'écouter ces jeunes donc, qui disent comment ils font pour rencontrer. Où est-ce qu'ils rencontrent les petits amis Où est-ce qu'on se rencontre Selon vous, où est-ce que, se rencontrent les jeunes Nigériens Et non, comme moi. Bon, ça dépend. Hein? Il y a les réseaux sociaux, il y a les sorties en boîte, les restaurants, euh, aller prendre de l'air, euh, aller faire les sports. Tout ça, ça dépend de, de l'endroit où vous vous croisez. Voilà. Oui, c'est effectivement le cas. Comme ils ont eu déjà les gens qui ont au lundi, généralement c'est les lieux de distraction, les cérémonies, c'est-à-dire les mariages, baptêmes et autres. Quoi. Aussi les boîtes, les restaurants. En tout cas, c'est dans des lieux pareils que généralement les gens se rencontrent. Et les réseaux sociaux Oui, avec, y compris... Facebook Oui. tous les réseaux sociaux, pas seulement Facebook. Mhm. Il y en a plein d'autres aussi, les réseaux de rencontres bien sûr, C'est lesquels les gens peuvent se rencontrer. Bon, moi je me dis que la plupart des rencontres, ça se fait sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a beaucoup de rencontres qui se passent sur les réseaux sociaux. Comment à quoi Facebook eh suna akwai akwai da yawa hmm. mm, suna da yawa eh, son boku kwa fit hmm. yan mata da mari masu to baba na da ke tare da mu yanzu dai kun ji eh, mamman yanzu matasa suka ce wurin gamuwarsu wurin gamuwarsu suna gamuwa a bisa kan wannan na'urar da ake ce ma wannan ah, harkokin na'urar da ake ce masu facebook suna gamuwa wurin shakatawa ko da ina ne ake gamuwa a'a mu zamanin mu babu gama ko ina zamanin baka samartaka ba ma samartaka to ya ne ake iyaka uban da uwar da uban diya suna ga ganin juna su cewa ne ina son gidanka diyarka ta zo gidana in ya amince kun zai ce to a ta kawo kuɗi kawai tsakanin ubannin ne ake kurun tsakanin ubannin in ki ji daya ki ya bido makai ne mata ba da bane ba da bane wani sai shi shi a kai mai mata gidan shi ba san ko wace iri ta ba sai an kawo kawai sai dai an kawo wata bata san samarin ta mijinta kowane iri na ba <laughs> sai an kace gidansu kuma za a kanta gidansu gidan miji sai sun share kama kwana uku ko kwana hudu ba ta gane shi ba ma to yanzu ga ganin ku wani yahi na dakin da ake koko na yanzu da suke gamuwa mm. ina zuwa tana zuwa cikin ɗakin uwaye ta ku kwana mijin bai ganin ta sai an kai kama wajen kwana hudu ko kwana uku yannan da dare in ta yi an kai abinci a ɗauka a kai ɗakin shi ka ta kai shi abinci yan nan na shi gane ta ta gane shi wannan lokacin da na yanzu ba ɗaya ba ne na yanzu ka ga yarinya ga hanya tana tana taki ɗaya ta sa talon kin jika hudu jika biyar tana taki ta yi kwalliya wai ita budurwa ce eh, <laughs> ya gane ta shi kuma can ya sai ke wata ke ina da gidan ku yake bai san uwanta ba bai san ubanta ba bata san uwar shi ba bata san uban shi ba sai an yi soyayya an kare ragaita lokacin nan a komo a ce akwai kuɗi a komo a ce a ji a ga uwaye eh ah, to wannan mu zamanin mu babu wannan ba haka ba ne ah. to ku kuna iya yarda ku wannan matasan kuna iya yarda da irin wannan kawai kai yanzu kai yanzu mamudu kana yarda kawai a kama ka amarya baka santa baka taba ganin ta ko ina ba bon a yanzu ban yarda kamar lokacin ne ba lokaci ba dai bane ba kwa tare lokacin su na sohi da lokacin ba dai ne ba lokacin na kama suka zabe ta Et comment, et, voilà, je peux parler en français, ça va avec l'éducation, quoi. Et l'éducation qu'ils ont reçue, en fait, tout venait des parents avant. Voilà, et maintenant les jeunes sont livrés à eux-mêmes au fait. Voilà, donc je suis libre d'aller là où je veux, rencontrer la fille que je veux, mais accepter à ce qu'on m'amène une fille. Sachez que même si je l'accepte, je ne sais pas si ça peut marcher au fait. Accepter une fille que j'ai jamais connue, vivre avec, parce que le mariage c'est sacré. Vivre avec une personne pendant des années, sans la connaître bien avant le mariage, je ne pense pas que ça soit vraiment une chose euh, facile à hein. vivre. Quoi. La vie ne sera pas du tout facile. Hein.

kana da ɗiya mace yau ta hita ba ta kawo maka kuɗi gidanka ba gobe ta hita ba ta kawo ba yi bi sai ka ce mazai ke fara ga cewa waye ina na na kika ta yau hmm? ke gani ko eh? kai kore samari ka tafi gari ka yi ƙarya don don ka ta gidan su yarinya ka ce kana son ta ka zo da yan kuɗin ka makar makar ka hudu uba ga jika uku uwa ga jika biyu to mi an kai in ka zo gobe yau ka basuwa gobe ka zo baka basuwa ba shi ba baka basuwa zan ake kayayi wannan makalaci na wanga makalaci na ba aure yake so ba ba aure yake so ba eh makalaci ne to to yanzu mun gode kun ga bambancin dai babba ne bambancin gaskiya samartakar da da ta yanzu ba iri ɗaya bane to kamar an kuka sani cikin wannan shirin namu la musique a aussi sa place. Donc nous revenons juste après cette pause musicale. to yanzu bayan wannan bayan wannan wakar raga ragar kauna zan mu dawo bisa kan wannan shirin namu na duka mu haɗu fada da mu da matasanmu wanda muka gayyato to yanzu muna shin labarin ana cewa haka ake cewa kamar wajen ko ina ma yanzu babu soyayya yanzu babu soyayya da gaske ne babu soyayya to kuma in babu soyayya miye samari da 'yan mata suke yama cikin samartaka miye suke yama kenan babu soyayya Parce que tout le monde vit son intérêt. intérêt Intérêt, oui. Tu achètes que tu sais que tu cherches. Moi et moi aussi, j'ai quelque chose que je veux de toi. C'est comme ça, c'est vice-versa. Donc je suis désolée, il n'y a plus d'amour. On ne parle pas d'amour sur ce sens. Ah oui Ah oui. Tu... Ah là, là, moi je dirais, Exactement, non. Comme elle vient de dire, on dit jamais, jamais. moi, je veux dire aussi jamais. Encore. En fait, je ne peux pas accepter ce qu'elle vient de dire. Ça, c'est clair. Ah oui, selon toi, l'amour existe. L'amour existe, même demain, ça va exister encore. Ce n'est pas nous qui avons créé l'amour, on l'a trouvé et ça va rester. Peut-être qu'il y a eu des changements, quoi, des choses qui viennent avec le temps. Peut-être euh, il y a des gens qui visent l'intérêt. C'est des gens qui ne pensent même pas à l'amour, en fait. Moi, je cherche mon intérêt, je vise. Mais tout celui qui vient avec amour, il va trouver l'amour. L'amour existe et moi, je crois à cela. Mais attends, qu'est-ce que tu appelles amour Toi, tu le cherches, l'amour si je cherche l'amour Oui, c'est ce que tu cherches dans une relation. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu appelles amour alors l'amour en fait n'a pas une définition comme ça. euh, Rihanna, je reviens vers toi. Tout à l'heure, tu avais dit que l'amour n'existe pas. Pourquoi tu, tu dis ça Oui, tant qu'il n'y a pas la fidélité, je suis désolée. Je ne peux pas vouloir de toi, tu veux de moi, et que je ne suis pas fidèle en toi, et toi non plus. tu n'es pas fidèle ouais a encore, kana Quand on kana son waccan ta gaba kuma kana son wata hallo bayan gidanmu kenan kawai haka ke kawai ga ganin ki ke irin wannan babu soyayya tun da ba iya zama ga mutum guda to kun ji kamar da matasa suka ce baba suka ce yanzu a wannan zaman da muke ciki soyayya ma babu ita ta gaske babu ita a lokacin ku ana iya ce akwai soyayya ko da yake ma sai bayan arme ne kuke kake iya ganin matakka ana iya ce a lokacin nan akwai soyayya na kirki an ana yin shi ba lokacin nan ma budurwa in ma kana son ta ma iyakarka da ita goro ka sai mata goron dala biyar ka ba ka ba ta kai gidansu kenan ta gane kawai soyayya ana bakin kuɗin kuɗin kenan goro ba ka ɗauka kuɗi da hannu dala goma ka ba yarinya ta amsa ta kai gidansu yanzu ana ba ta kashi kashi uwa daga ba su soci ta lalace wallahi ko a gane ta ga hanya da kai da yarinya tsaye gangan darni kuna hira da wani dattijo ya zai kai amma yau wani ta lalace dan wani ya lalace babu wani abun ga da an gani kwadi za a yi to yanzu ko ina yanzu ko sarmi gashi nan sai ta gidan uwa yarin shi na zamanin uba na zamanin uwa tana nan ana hira Anna Hira, ah. Donc Nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radios partenaires de toutes les régions du Niger de nous envoyer leurs questions par euh, WhatsApp. Il suffit de s'abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54. Un abonnement qui vous permet aussi de recevoir gratuitement tous les contenus radiophoniques produits par Studio Kalangu. du kamasu shuraran shirye suna iya samun wannan shirye kuma whatsapp Selon vous, est-ce que le lieu de rencontre détermine la qualité de la relation Par exemple, un armée chaque est-ce que wacce irin wani irin zamantakewa ne zami ko ne zaka ga wannan budurwa da ka haɗu da ita wannan kaka wannan zaki wannan da kika da shi in abuwat ne kika gamu da shi ko ko a wajen ne kika gamu da shi akwai bambanci il y a une Parce que quand tu rencontres, de nos jours, tu rencontres une fille en boîte, la mentalité des Nigériens, c'est qu'ils se disent, c'est qu'elle est venue chercher garçon. Au mariage, ils peuvent dire que bon, elle est invitée, c'est une invitée. Donc, euh, c'est différent, quoi. C'est trop différent. Hmm. En boîte et au mariage, c'est deux lieux trop différents. kenan kaman ga hidin ki kaman yanzu in na gamu da budurwa in mutun ya gamu da budurwa a cikin a wurin rawa hakan ga wurin da matasa suke gamuwa suna rawa ko ko in ya gamu da ita a wani biki hakan ga oui, oui je suis, d'avis avec elle. Je suis d'avis avec elle parce que rencontrer une fille en boîte, comme on le dit, c'est l'apparence au fait. Donc n'oubliez pas aussi que l'apparence, est le trompeur Je peux rencontrer une fille en boîte. Peut-être qu'elle n'est pas partie pour ce que moi je pense. Peut-être qu'elle est partie se défouler, se distraire et non pour chercher des garçons. Donc si toutefois j'approche cette fille, je, peux la connaître mieux, quoi. Savoir que réellement celle qui, ceux qui l'a amenée ne pas chercher des garçons Je peux rencontrer une fille à un mariage. Peut-être qu'elle est toute habillée, avait un hijab, tout ça là, mais <laughs> qu'au fond, que ce ne soit pas la personne que je vois. Donc c'est une question d'apparence. Quoi. De, la première vue, je vois la personne en boîte et je me dis que forcément que, bon, elle est là pour autre chose. C'est vrai, hein, on peut se Oui, mais rare sont les gens qui, qui, qui, comprennent ce qui, qui pensent comme lui. Hein. Automatiquement, j'aime dire qu'elle est venue pour chercher des garçons comme elle l'a dit. Parce que généralement, les boîtes, surtout ici, en tout cas, tout renvoie euh, encore à l'éducation euh, étant nigérien, surtout je veux me baser ici sur notre, sur notre pays, en étant nigérien, je me dis forcément que les boîtes ne sont pas faites pour, pour, la distraction. Quoi. c'est pour les filles qui ne restent pas tranquilles. Voilà, des trucs du genre. Mais en réalité, il y a des gens qui ne partent pas pour cela, uniquement pour se distraire, se défouler et tout. C'est pas parce que j'ai rencontré une fille à un mariage euh, baptême que forcément. ça veut forcément dire qu'elle, est bien, qu'elle est sérieuse. Pour connaître hein. la personne, il faut d'abord, je sais pas, côtoyer la personne, échanger avec, essayer de euh, la connaître un peu mieux. Là, je peux savoir si réellement elle est celle que je pense ou pas. effectivement mais, le lien a un impact quand je vois une fille en boîte l'image que je vais me donner d'elle ne sera pas la même qu'une fille que je rencontre à une cérémonie de mariage. à une cérémonie de mariage, du moins. Mais forcément, il faut connaître la personne pour avoir une idée. Voilà. Comme vous le savez, la musique a aussi sa place dans tout ça, la fada. Donc, euh, nous allons souffler avec euh, ce titre de Mekalabi. Ils ont tapé poteau. je suis emprisonné. Je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont vrais. Et Pour ma baby. Ma pensée, c'est moi tout seul. Baby, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma lady, ma baby. Ma princesse, moi tout seul. Baby, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu le sais, tu le sais. Ils peuvent essayer, ils peuvent tout tenter. Mon amour ne va pas cesser. Tu le sais, y aura peut-être mieux que moi. Plus friqué que moi, mais mon cœur ne battra que pour toi. Les tontons ont tenté Ils ont échoué. Les lélés ont tenté. Elles ont échoué. Les pépéros ont tenté. Ils ont tapé poteau. J'ose croire que c'est moi, Mike Alabi, que la petite va choisir. Hein. Je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont vrais. Et qu'importe ce que tu me demanderas, je ferai. On dit que l'amour est aveugle, mais moi je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. dans tes yeux. Écoute-moi, ma baby. Ma princesse à moi tout seul. Baby, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. My lady, my baby. Donc, juste après ce titre de Mekarabi, nous poursuivons ce numéro avec ce reportage de Tarnan Ahmad. Attablés dans une pâtisserie de la capitale, les fiancés Ramotou et Omar discutent de la célébration prochaine de leur mariage. Sourire aux lèvres, yeux rivé sur sa future épouse, Omar se souvient de leur première rencontre. Je me souviens, c'était euh, le lendemain de la fête de madame. Elle était venue avec ses frères et soeurs et moi, je suis venu euh, prendre une commande. Le jour-là, la chance m'avait souri. J'avais pris son numéro. Et dans un laps de temps, on a eu à être euh, des amis, Mais plus tard, l'amitié s'est transformée en amour. À l'heure où je vous parle, ma dot est déjà chez elle. On va célébrer le mariage traditionnel le 3 août. Soumana Hamma, lui, a encore à l'esprit les mauvais souvenirs de sa relation sur plusieurs mois sans résultat. Il a rencontré son ex-copine dans un bus de transport en voyage à l'intérieur du pays. Tous les deux décis par cette relation, chacun est allé de son côté. En partant, euh, Zender. On était dans le bus, c'était assis côte à côte, on a échangé, on a parlé, après on a échangé de numéro C'est ça, on a continué notre relation, a continué jusqu'à un an. Les zondis et autres là, on n'arrive pas à se comprendre. Donc maintenant, on s'est relâché quoi. Mais sinon, au début, notre projet, c'est un projet de mariage. Maintenant, chacun cherche. Même si les relations d'amour sont faites généralement pour aboutir à la création d'un foyer, l'impatience, le manque de temps pour se connaître suffisamment et les mensonges freinent l'aboutissement du mariage. Ces inconvénients rongent y compris les mariages existants selon Saleh Abdou Mamoudou, la cinquantenaire résident à Niamey. Et je pense que les gens ne prennent pas assez de temps pour se connaître, pour vivre ensemble avant le mariage. Ils doivent être sincères avec eux-mêmes, prendre du temps à se connaître et à vivre modestement. C'est ça la base du mariage, sans mensonge. Et le mariage, c'est synonyme de patience. Les relations basées sur l'intérêt matériel, le manque de suivi des parents dans les relations que leurs enfants entretiennent avec leurs futures épouses ou époux constituent des obstacles qui freinent la vie des jeunes couples aujourd'hui, confie Madame Foguerita. Pour les parents, il faudrait prendre vos responsabilités. Il faudrait bien éduquer les enfants, les amener à faire un choix décisif. On ne peut pas donner son enfant comme ça à n'importe qui pour prendre de l'argent. Avant, c'était les femmes, maintenant même les hommes, ils s'intéressent au matériel. Les garçons, dès qu'ils voient une fille, ils regardent ce qu'elle a d'abord. Et après, ils la marient, même s'ils ne l'aiment pas. Souvent, c'est une cause de divorce. Malgré des problèmes par-ci et par-là, bon an, mal an, les relations continuent de se construire et des centaines de mariages sont célébrés chaque week-end à Niamey. Merci Tarnan. Euh, ok, nos amis de tous à la Fada, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de ce numéro. Mais avant, nous, nous appelons notre chroniqueur euh, Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir Rabi, comment vas-tu Tu vas nous dire tout ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine Bien sûr que sur l'actualité de la jeunesse. Ah bah oui. On t'écoute. Bonsoir, bonsoir. Puisque le thème de ce soir m'intéresse beaucoup et intéresse vous aussi, chers amis auditeurs, je suis venu et je veux commencer avec ça. Arrête, je veux que tu te la ah, fasses. Ah, tu me fous les boulots. la c'est moi qui porte la culotte, donc comme toi un peu. Hein. Donc c'est toi de faire. Ah. Merci à tous. Si vous êtes jeune, vous vivez au Niger, vous avez sûrement entendu parler du tremplin des jeunes, ce concours de jeunes talents musicaux. Bon, j'étais à la grande finale et j'ai fait une superbe rencontre. Elle s'appelle Laila, âgée de 19 ans. Elle rêve de faire comme José de la Côte d'Ivoire ou bien Safia du Niger, mais elle a une tendance plutôt rap. J'en connais et je me suis demandé dans une société comme celle du Niger comment cette fille pourrait être perçue. Je lui ai posé la question et voici sa réponse. Bon, ici, là, avec la religion, c'est un peu naze, Mais hmm, bon. je me sens bien. Je me sens très bien. Bon, je veux qu'il pense de moi que c'est pas comme il me voit sur scène. Hein. Pas la scène, euh, je suis calme, posé. Voilà, c'est dit. Tout autre sujet, le 2 juillet 2019, donc mardi, les jeunes volontaires pour l'environnement organiseront le forum Convergence Niger au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey intitulé Pour un Niger, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, placer l'humain au cœur de l'environnement et du développement, ce forum aura pour but de valoriser l'innovation et l'économie sociale et solidaire comme vecteur d'une croissance durable et inclusive et la réalisation des objectifs de développement durable ici au Niger. Petit rappel aussi, ce samedi, les populations de Maradi et de la région de Difa ont reçu des agents de l'Agence nationale de la société de l'information, ANSI, pour les journées portes ouvertes et c'était sur le thème TIC, inclusion et humanité. Une conférence sur la démonstration sur l'utilisation de l'outil informatique par les personnes handicapées auditives et visuelles était au rendez-vous. D'abord, pendant ces vacances, informez-vous, ça peut être la radio, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est très important. Ensuite, participez à ces formations-là, ces cours de rattrapage, et eh bien, amusez-vous aussi sagement. Pour les demandeurs d'emploi, cette semaine, je vous recommande des visites sur les sites de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Il y a des offres de formation, des opportunités d'emploi et bien sûr des orientations. Donc euh, merci Olivier, merci pour cette euh, riche chronique. Euh, on te donne rendez-vous également la semaine prochaine. Merci à toi Ravi, d'ici là surtout porte-toi bien. Porte-toi bien aussi. Qu'est-ce qui peut les relations qu'on a les jeunes, on est en couple, on s'entend bien. Qu'est-ce qui peut détruire la plupart c'est le mensonge y a trop de mensonges dans les relations tu fais des promesses tu fais des promesses à une fille ou bien tu l'appelles et te dis elle est à la maison or elle est quelque part avec quelqu'un d'autre <laughs> ou bien <laughs> toi-même elle t'écrit ou bien elle t'appelle tu es avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que chacun attrape chacun Bon, c'est ça. La, plupart, c'est le mensonge. Le mensonge peut tout détruire, pas seulement euh, les relations amoureuses, hein. quand il y a de mensonges, c'est que les gens ne sont pas sérieux. Voilà. Parce que quand la base de l'amour, c'est quoi C'est la confiance. Et vous savez très bien que quand je vous mens aujourd'hui, demain, vous n'allez pas, vous, n'allez plus, je sais pas, me faire confiance. Et de là, ça peut détruire la relation. Généralement, c'est les mensonges. Les gens ne sont pas sérieux envers eux-mêmes. Parce que moi, je me dis que quand je suis sûr envers moi-même, j'ai pas. Quand mon partenaire, il est tranquille. Parce que là, je me respecte moi-même, donc je n'aurais même pas à lui mentir à plus forte faire des trucs qui peuvent nous amener, je sais pas. Dans ce cas, alors là, on ne parle pas d'amour Bon, pas forcément. Hein. Ça, c'est le débat qui va continuer, mais pas forcément. Si tout le hein. monde ce qu'on retient de notre discussion avec nos jeunes, si tout le monde ment à tout le monde. Et vraiment, les filles mentent, les garçons mentent. Donc, il n'y a plus d'amour. Mais là, là, là, là c'est une condition. Vous avez bien dit, si tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui ment. Tout le monde, hein, ça, il faut. En tout cas, dans les 100%, les 90%. Oui, Généralement, les gens ne se disent pas la, vérité. Mais cela ne va pas aussi nous pousser. bon, me pousser moi à accepter que l'amour n'existe pas. Alors si vous dites que c'est ce qui détruit l'amour. C'est parce que l'amour existe. Donc jusque-là, il y a des gens qui, de leur côté, ne le font pas. Donc, il y a des gens qui essaient de s'aimer. L'amour existe. Il y a des gens qui s'aiment sincèrement. Et généralement aussi à ça, quand je ne peux pas prendre soin d'une fille, je sais qu'il y a des besoins que je ne peux pas faire. Donc c'est vrai qu'elle ne pas. Euh, voilà, elle ne peut pas la fille que je dois c'est peut-être chercher. fidèle en toi. Oui, c'est ça que je dis. Donc je ne peux pas imposer à une fille que je sais très bien que je ne peux donc, pas elle va garantir. accepter les autres. Donc dans ce cas, il n'y a pas de l'amour. c'est ça, je sais que j'ai voilà. Si je sais bien que je ne peux pas garantir. Euh, oui, le matériel. Donc ce que nous retenons maintenant de notre discussion, c'est que le matériel. L'argent et le matériel, oui, ça compte. quand tu parles d'amour, tu parles d'argent aussi. Voilà, mais pas parce que, seulement. Parce que il te faut faire des petits cadeaux à ta copine, l'amener au restaurant, sortir prendre de l'air, faire des petits voyages. Mais bien sûr, ça, sans l'argent, ça ne suffit pas. Mais ça, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est quelqu'un qui vise l'intérêt. moi, je vis chez vous, peut-être je vois, vous êtes toutes belles avec, euh, ce c'est ça l'intérêt. Parce que si tu ne me donnes pas, je suis désolée, je vais ailleurs. Merci à nos chers invités. Donc, euh, comme je le disais, nous assumerons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous retenons, nous retenons dans notre discussion intéressante et riche avec euh, nos jeunes et avec euh, notre euh, aîné qui est là avec nous autour de cette table que maintenant il y a de plus en plus euh, de matériel qui compte que l'amour et les jeunes se montrent mutuellement. Et du coup, c'est compliqué de trouver l'amour parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont fidèles, il n'y en a pas beaucoup qui sont sérieux. mais, pas parce que l'amour n'existe pas. Voilà. Parce que l'amour existe, mais... <laughs> il est l'amour est mal interprété, mal mal géré, mal entretenu et du coup euh, on se retrouve. Comme il a dit, c'est parti en Libye. Voilà, c'est parti en Libye. <laughs> Donc Amis jeunes, c'est la fin de ce numéro de Tous à la Fada. Rendez-vous demain avec euh, mon co-animateur de l'émission Dandy pour parler de l'étape de la dot ou des fiançailles dans Tous à la Fada. Le Hindarik Arewa, Gobe, Tarada Abokina don da yi da zai muna zancen sadaki Sadaki, Bayan kawo Sadaki. Donc n'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Kada ku wance duka masu shuraren mu bisa kan wannan shirin namu na duka mu hadu fada suna iya aiko mana tambayoyin su kuma su samu duka wannan ayyukan da muke nan gai da wannan shirye da muke nan gai bisa kan lambar mu ta WhatsApp tamanin sifili shida tamanin da takwas hamsin da hudu amine ku rabi mai kano sai mun haɗu. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme Gêne du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.